solide dans la mesure où ils sont dans le public, moi je suis dans le privé. comprendre mais man dafa am benn point ba nga xam ne dama ko naqarlu ak ñoom donc si par maanaam ñu solidarité ak ñoom. parce que nit moom moom li nga bëggul ñu teg la ko waroo waroo nanguñ teg ko sama comprendre seen problème bi indépendance lii taas bon je sais pas en réalité ñoom seen indépendance yi mu toll mais comme ñëpp ay Sénégalais yi nekk fonction publique suñu mënul tolloo ay indépendance itam indépendance itam nañu bu ñu sorate la grève c'est un droit donc euh, bépp liggéeykat boo xamante ni tu te sens bafoué ci ses droits am nga droit nga dem grève bon maintenant li mëna wax ci côté bobu moy que ne grève aussi dafa am likoy andi et si toutefois maintenant euh likoy andi nek lo xamantene ne galancor par exemple les enseignements apprentissage voilà mu nekk une revendication boo xamante ne euh, le travailleur def ci am droit te amoko je ne suis pas en grève. En fait, je ne dirais pas que je ne suis pas en grève, mais comme euh, je n'ai pas de classe qui fonctionne le jour de la grève, bon, ça ne me concerne pas. Oui, je suis en grève. Même si on est en grève, on doit venir à dans son lieu de travail. Je dis que le travailleur dans son lieu de travail a des fois des revendications face à son employeur. Eh bien, si vous voyez les préavis de grève, c'est des avertissements. Maintenant, c'est par rapport à l'employeur. Et on demande souvent à l'employeur d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais si l'employeur, des fois, manifeste des lenteurs, ça peut poser des problèmes que nous vivons en ce moment. Non, non, non. La grève, quand même, je ne peux pas commenter ça, sincèrement parce que je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont déclenché ce mouvement de grève. Ils ont leur motif. Et je ne peux pas quand même me prononcer par rapport à ça. Et je trouve que tout un chacun qui déclenche un mouvement de grève, c'est parce qu'il a un motif à défendre, une cause à défendre. Franchement, je m'obstiens quand même de me prononcer par rapport à la légitimité ou la non-légitimité d'un mouvement de grève. C'est une grève légitime. Il y a des injustices à réparer. Il y a des injustices à réparer. Je vous donne un exemple. Comment un enseignant qui n'a qu'un seul déplacement par an, il se déplace pour aller au BFM ou bien au baccalauréat. C'est passé en fin d'année. Et dans le protocole qu'on a signé, on a dit que avant le 30 novembre, on doit payer tous les déplacements. Nous sommes aujourd'hui combien le 23 janvier. Il y a des années de déplacement du baccalauréat qui ne sont pas encore payés jusqu'à ce jour-ci. Ça, c'est l'injustice. Nous jugeons qu'elle est légitime. Parce que c'est des points de revendication non satisfaites, des promesses non tenues. Je pense que de l'autre côté, on devrait aussi faire des efforts. S'il ne s'agit que de l'indemnité de logement, quand même c'est une revendication qui est légitime, très légitime, parce que agent euh, appartenant au même employeur, si vous subissez un, des traitements différents, il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est pas, là, ça pose quand même un problème de justice sociale. Moi particulièrement, qu'on m'aligne, qu'on m'aligne, c'est-à-dire alignement, le fonctionnaire euh, doit normalement avancer, n'est-ce pas d'échelon et d'hierarchie en fait d'échelon plutôt. Euh, moi par exemple, depuis 2006, depuis 2013 plutôt, je n'avance pas, je suis toujours PM euh, deuxième échelon, deuxième, 2-2 en quelque sorte. L'indemnité de logement est restée depuis je ne sais pas quand à 60 000 francs. Ça n'a pas bougé pour les fonctionnaires. Ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé. Et on voudrait qu'on aligne cela par rapport à nos diplômes et par rapport aux autres corps. Les autres corps ont des éléments de logement dignes. Pourquoi l'enseignant qui fait 90% de son travail à la maison n'a pas de de logement suffisant, conséquent les c'est un besoin de tout un chacun, c'est un besoin de tout le monde en quelque sorte. C'est tout le monde qui a besoin euh, d'avoir des avantages, des privilèges par rapport à son travail. Donc ceci, c'est ça qui fait naître euh, ces idées-là, ces points de revendication. Bon, nous ne sommes pas syndicalistes, nous sommes des enseignants tout court, mais des fois on est obligé euh, de verser de l'eau dans notre bissap, en quelque sorte, dans notre bissap, c'est comme ça que je vais le dire, euh, par rapport à nos revendications. Des fois, on lève le pied pour tout simplement, parce que nous pensons à nos élèves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, grève type du public, nga xamantene mom fofu mom fofu mom moy officiellement fa lañ la xam devons nga dem di jangale ji ci le privé je crois que aussi lolo aussi nous wara mona bayyi puisque euh, mon, nit à la fois détenir on peut pas être au four et au moulin nekk fii nekk volé. <laughs> je crois que loolu xel xel waru ko waru ko nangu je ne dis pas que nag que euh, l'enseignant du public warul am bon rapport avec le le privé puisque bu fekkente ne euh, sa emploi du temps may na la ko nga jàngale ci emploi du temps mu am des espaces yo xamantene euh war nga mën dem jappalé ji les élèves du privé je crois que c'est normal mais li normal kay normal, grève fi ba ne revendiquer après maintenant au moment de la grève nga dem benen école ne da ngay wouti xaliss ah non non non ça je ne peux pas les juger j'ai constaté j'ai constaté que au de les professeurs ne sont pas allés en grève mais de là à juger les autres et là même si ceux-là qui ne sont pas allés en grève je ne fais que constater mais je ne peux pas les juger. Je m'abstiens de les juger. Anduma, c'est parce qu'il faut donner la chance aux autres. ñoom am une chance su am liggéey am nañu jàng yor seen diplôme am une chance am ligue. parce que par exemple man su ma pas bi nga xam ne mu ngi fonction publique Je suis di def ay cours si ay heures au moment où il y a un jeune qui est là dans le quartier qui a les diplômes requis pour mener, a jàngale comprendre nga mu ñëw déposer que man kële engager. engager pas seulement les anciens qui font du matin hein. ça je crois que je vous le dis et vous le connaissez les autres aussi font pareillement maintenant on nous on taxe que nous nous faisons dans le public nous faisons pas dans le public et nous dans le privé nous faisons cours là-bas ça ça relève de ceux qui disent cela mais nous en tout cas nous respectons ce qu'on donne comme heure d'enseignement dans l'établissement public ça peut être normal, hein? On n'a rien à faire. On décrète euh, la grève. Ben, ceux qui veulent n'ont qu'à aller le faire. Hein. Ils en sont libres. Parce que, euh, se disant que si ça se passe normalement dans les règles de l'art, l'enseignant, comme ils le disent, l'enseignant qui va en grève, donc on n'assure pas ses, cours. Donc là, il n'est pas payé. Donc on lui retire ce qu'il devait avoir. Et s'il a la possibilité d'aller ailleurs pour récupérer. Mais le problème. Ils peuvent aller dans le privé à leurs heures libres. Ce ne sont pas à des heures dues à l'État. Encore une fois, il faut que l'équivoque soit levé. Parce qu'il y en a qui croient que parce qu'ils vont dans le privé, que ça nuit à l'enseignement public. Non, ce n'est pas exactement ça. À du point, un enseignant conscient n'ose pas faire ça. Les, conséquences de la grève, elles sont, elles sont multiples, hein, puisque euh, déjà, Wahanako, Khalei euh, Nijang, ñoo war a yor réew mi ci kanam donc su fekkente ne maintenant seen se c'est vrai que bu ñu aussi ay mag yo duñ bari xam-xam duñu am expérience lañuy doon donc euh, dañu war a def lépp pour que leur cursus élémentaire même même secondaire ne cursus boo xamante ne def nañ ko ak ak ak comme nu mu ko waree c'est-à-dire euh, quantum horaire bi nga xamante ne moom la bépp enseigne euh, élève war a am ñu matal ko ndax école bi bu tëjee vraiment xam-xam bi mu war a am yëpp nekk loo xamante ne mat na. je dois dire et ça c'est à la décharge des enseignants ils ne font jamais une grève qui puisse pénaliser entièrement, totalement les élèves. Je donne un exemple. Par exemple, le sou plus souvent, quand c'est des professeurs ou des maîtres qui ont des classes d'examen, ils font tout. Ils font tout pour quand même que les élèves qui, qui sont dans ces classes-là ne perdent pas des heures. Maintenant, les autres niveaux, quand même, là, il y a des choses, il y a des conséquences. Grève, il y a des conséquences. Parce que l'enseignant, il y a des conséquences même su grève sax day xel mat su grève day xel mat day xel mat su gréwul xel mat comme public privé grève su gréwul fi day ñew jangale su ko engagé comme privé gréwul hein ah, mom su grévé fële par man sama yoon ko seen grève na ñew jangale ma dam koy fay. l'année passée donc euh, on les avait avertis et c'était une année qui était très calme il n'y a pas eu de problème vous avez remarqué vous-même de vous-même. Alors en début d'année aussi, on, s'est signalé, mais sans réponse. Eh bien voilà, les conséquences seront subies par euh, les innocents, comme on a l'habitude de dire. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Là, ma réponse exacte, c'est cela. Vous savez pourquoi le droit à l'éducation est un droit qui est inscrit dans dans la Constitution. Mais le droit à la grève, le droit aux revendications syndicales, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Nous réclamons nos droits et on s'arrête à ça. Maintenant, c'est à vous, aux autres de juger quel est le droit qu'il faut privilégier par rapport à l'autre. Les solutions maintenant, moi, vraiment une discussion, une discussion tripartite. Madame, il faut que, puisque l'éducation, ça concerne tout le monde aussi bien les enseignants l'État mais aussi les parents d'élèves Nous avons fait une concertation ci peut-être euh, nous nañ trouver un un terrain d'entente pour maintenir fait euh, li nga xam ñi nga C'est une grève revendication dinañ satisfaction euh, élèves est aussi une a normale donc je crois que la solution bi c'est la concertation concertation entre tous les acteurs euh, Nous avons éducation solution soit l'employeur accepte de lâcher quelque chose ou bien les employés acceptent de renoncer à quelque chose mais tout finira par la négociation. Nous souhaitons fortement une solution heureuse et le plus rapidement possible. Parce que c'est une situation de malaise. Ceux qui sont en classe sont taxés des défaillants. Ceux qui n'y sont pas aussi, restés à la maison, pensent à leurs élèves. Donc c'est une situation où tout le monde est mal à l'aise. Par conséquent, c'est une situation dont on souhaite l'aboutissement le plus rapidement possible.